was fam? Ist was fam? Ist was fam? Ist was was fam? Messieurs, dames, euh, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. Vous suivez Espace Femmes, une émission de studio Kalangu qui s'intéresse aux questions sociales euh, touchant particulièrement les femmes et les enfants. L'isolement de Niamey, quels sont les impacts de la fermeture des écoles sur la vie des enfants et jeunes à la maison C'est la thématique euh, d'aujourd'hui. Actualité oblige. Aujourd'hui, nous parlerons de l'impact des mesures de distanciation sociale dans le cadre de la prévention du coronavirus euh, sur la vie des jeunes. Rester à la maison sans activité physique, euh, quelle qu'elle soit, pourrait avoir des impacts psychologiques et physiques chez les jeunes et les enfants. La cohabitation 24 heures sur 24 des membres de la famille pourrait aussi entraîner certaines violences. Alors, pour en parler, nous recevons aujourd'hui M. Sidikou Amadou. Il est psychologue clinicien, au service euh, psychiatrique de l'hôpital national de Niamey. Bonsoir. Nous avons en ligne euh, à l'autre bout du téléphone euh, Madame Hassan Chima, qui est la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de DIFA. Bonsoir Madame. Bonsoir. Je suis Raylette Soumana à la présentation. Bonsoir à tous. Dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus COVID-19 qui sévit dans le monde entier, les autorités nigériennes ont décidé le 19 mars 2020 d'isoler Niamey, la capitale qui est à ce jour l'épicentre du Covid-19 au Niger. À l'occasion, toutes les écoles sont fermées depuis le 20 mars 2020. Donc, plus d'un mois que les élèves, petits et grands, restent cloîtrés à la maison puisque les autorités décommande aussi toutes les sorties non essentielles. Cette mesure particulière a été prise pour éviter les contacts humains et donc la propagation du coronavirus. Pour planter le décor, je vous propose de suivre les propos de quelques jeunes que nous avons recueillis ici à Niamey. Ils racontent leur quotidien à la maison. À propos du confinement, c'est une nouvelle situation pour nous les jeunes car rester cloîtré à la maison sans pouvoir faire son quotidien est très difficile. De mon côté, pour pouvoir tuer la nuit, presse première des choses, c'est les réseaux sociaux pour être en contact avec mes amis et aussi avoir l'actualité sur le monde. en dehors du téléphone, je prends de temps en temps mes cahiers pour réviser. Il y a aussi les jeux vidéo et parfois je sors dehors à la fada tout en respectant les règles de distanciation sociale. Moi, ce que je fais depuis la suspension des cours, je me connecte all-time, je suis en Je vais même installer des nouvelles applications <laughs> pour euh, diminuer la nuit. Moi, vraiment, je ne suis pas contente du confinement. On reste à la maison pendant deux semaines euh, sans voir ses camarades. Mais comme il y a le coronavirus, on euh, on peut rien donc on profite pour réviser nos leçons et faire des exercices. maintenant comme il y a plus de Makranta aussi, la nuit avec notre grande sœur, on récite quelques versets du Coran et on fait des invocations pour que Dieu nous protège de cette maladie. Ah, le confinement, je l'ai vu mal, hein. je l'ai vu mal. Mais pour passer le temps, je préfère regarder des séries car c'est ma seule passion pendant ce confinement-là. Et bien sûr, il y a les études aussi. Donc, je dois étudier pour réussir mon bac. Parfois, je sors dehors pour euh, rester quelques minutes et puis rentrer. mais la nuit, comme j'ai un ami dans le quartier, je préfère l'appeler pour qu'on vienne faire des exercices à la maison. Au début, moi, je prenais le confinement à la rigolade. Mais vu que les jours passaient et qu'on n'a pas de solution pour nous, les élèves, ça me tracasse vraiment. Parce que moi, perso, je passe tout mon temps sur mon téléphone. Je n'ai rien d'autre à faire à part dormir, manger. <laughs> rien d'intéressant à faire. Et ça, ça me pénalise gravement. Bon, je me réveille tous les jours presque 10h, 11h. Je me lave, après je passe devant la télé, je prends mon petit déjeuner. Des fois, je passe toute la journée sur mon phone à me connecter. Des fois aussi, c'est la cuisine. Je prépare le matin, le soir et la nuit, je révise. Ça, c'est obligatoire. Je révise mes cours parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on a un examen à passer. On ne sait pas l'année sera sauvée ou pas. Mais quand même, nous, on révise. Voilà, vous venez de les entendre, ces jeunes de Niami, fils et garçons, qui nous racontent leur quotidien. Donc, honneur aux dames, je commence par vous, Madame Hassan Chima, vous nous entendez Oui. Vous les avez entendus aussi Oui, j'ai entendu les jeunes. Est-ce que selon vous, ces jeunes ont trouvé la bonne euh, occupation pour ces à la maison En tout cas, pour la plupart, ils ont trouvé la bonne occupation. Mais j'ai entendu parmi ces enfants quelqu'un qui a dit ils, vont au FADA, ils respectent euh, les distanciations sociales. Les, voilà, les, interdictions par rapport au Covid. Je suis d'accord, ils, ils, partent au FADA, ils respectent, mais est-ce qu'ils respectent euh, totalement Parce que nous avons constaté que même si ils, respectent le distanciement de 1 mètre entre eux, tout ça là, ils se protègent. Mais ils continuent à prendre du thé ensemble. Dans le même verre. Dans le même verre. Donc, euh, le respect là n'est pas tellement, tellement. C'est pas total, quoi. <laughs> voilà, il n'est pas total appel aux jeunes. transiter ensemble, il faut éviter. Il faut éviter, d'accord. Merci beaucoup. Donc, euh, ces jeunes-là, euh, la plupart disent qu'ils utilisent euh, surtout les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, les téléphones, les jeux vidéo. À votre avis, je m'adresse au aux psychologues ici au studio. À votre avis, comment est-ce que ces jeunes auraient pu passer leur temps plutôt que de se concentrer sur ces technologies Oui, merci. Je pense que voilà d'abord le fait même de passer tout le temps sur le téléphone n'est pas nécessairement une bonne chose. Pourquoi Parce que euh, ça peut créer ce qu'on appelle une addiction. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le téléphone est devenu une addiction pour nous tous. Et si les jeunes qui sont censés euh, aller à l'école, ils viennent à cause du confinement, ils viennent passer tout le temps sur le téléphone, ça peut aussi être, avoir un impact. Donc l'impact ne peut être que négatif parce que l'addiction, c'est une compulsion de répétition qui devient à un certain moment pathologique. Donc euh, je préfère mieux celle qui a dit qu'elle euh, continue toujours à prendre ses, cahiers pour réviser. Mhm. Maintenant, euh, le fait d'aller aussi à la FADA, c'est déjà c'est le fait d'augmenter les comportements facteurs de risque. Donc ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Et nulle part vous n'avez entendu les jeunes qui disent que ah, de, façon, de, euh, de temps en temps, ils échangent avec les parents. Donc c'est comme s'ils ils sont, ils isolés. sont, ils sont isolés des parents mhm. et c'est même si peut-être même qu'ils mènent une éducation permissive. C'est ça, il y a un d'entre eux qui dit que euh, il appelle euh, son ami au téléphone ou bien il discute sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux d'abord, il discute sur les réseaux sociaux. Il y a une qui a dit que elle ne fait que télécharger des vidéos. Des applications. des, applications pour, euh, pour, rien que sur le portable, mhm. parce qu'elle est ennuyée. Donc ça, ça déjà vraiment, ça provoque déjà des problèmes. Donc selon vous, elles auraient pu euh, s'approcher des parents ou bien. Euh, Et selon moi, en tant que psychologue, je pense que le confinement pouvait être positif pour ces enfants s'ils si échangeaient beaucoup avec les parents, parce que vous savez que les parents n'ont pas parfois le temps pour les enfants. Et cette euh, période de confinement, c'était une occasion mhm. pour euh, euh, inculquer à des enfants, à ces enfants, certaines, certaines valeurs. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que ici, tous les enfants qui ont intervenu, ils font fi des parents. Cet aspect-là, vous allez l'entendre un peu plus tard, euh, vous allez l'écouter dans cette émission. Mm, Donc euh, la pratique euh, du sport pourrait être un moyen de <coughs> circonscrire les effets délétères du confinement. Donc je vous propose de suivre un entretien que nous a accordé docteur Hamma Idrissa, médecin cardiologue, aussi médecin de sport et entraîneur de l'équipe nationale de football. Il évoque les impacts que pourrait avoir la sédentarité sur notre organisme. Une bonne partie de la population est restée confinée à la maison, ne sortant pas bien sûr euh, si ce n'est pas nécessaire, ce qui bien sûr expose euh, les gens à la sédentarité, alors que nous savons que la sédentarité est un risque cardiovasculaire parce que ça expose à l'obésité, à la malbouffe, parce que quand on oblige les gens à rester à la maison, ils ont tendance, en ne faisant pas du sport, à s'être occupés par la télévision. Et donc, du coup, à, multiplier bien sûr la fréquence des repas et donc euh, va survenir les complications liées à cet état de fait qu'est l'obésité, bien sûr, qui est un risque important sur le plan cardiovasculaire et bien sûr sur le plan sportif parce que qui dit obésité dit une accumulation de graisse avec fonte de muscles. ce que c'est risques cardiovasculaires concernent aussi les enfants. Effectivement, l'obésité concerne les enfants autant que les adultes parce que avec ce confinement, on a demandé et aux enfants et aux adultes de ne pas sortir. Donc du coup, les écoles sont fermées. Donc les enfants ont tendance à rester toujours devant la télé, à grignoter. Si les parents ne sont pas motivés à les entretenir dans au moins une petite activité physique, ils seront aussi exposés que les adultes et bien sûr l'obésité est un facteur euh, non moins important par rapport à la vie de ces enfants-là. Et qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas Qu'est-ce que vous conseillez aux parents Comment occuper leurs enfants En quoi faisant Le conseil qu'on peut donner par rapport aux parents dans cet état de confinement, c'est de leur donner quelques petites tâches à la maison que les enfants peuvent faire ou faire un petit programme d'exercice physique pour pouvoir d'abord les distraire et pour bien sûr éviter trop de stress et les empêcher d'être toujours un peu collés à la télé en faisant un petit programme d'activité physique, ne serait-ce que l'exercice physique dans la cour, ça empêcherait aux enfants bien sûr d'être exposés à cet état d'obésité et même les adultes pour les enfants qui grignotent, est-ce qu'il faut les priver du grignotage ou bien qu'est-ce qu'il faut faire Si on peut éviter aux enfants de trop grignoter, je pense que c'est la plus facile des méthodes. A priori, c'est de les empêcher de prendre trop de sucre et ou trop de graisse. Et ça, ça concerne et les enfants et les adultes. Parce que nous savons que le trop de sucre, trop de graisse, bien sûr, euh, ça expose au risque cardiovasculaire. Et pour le sport, à quelle fréquence est-ce qu'il faut le faire Le sport, si on peut le faire chaque jour, il faut le faire. Il faut faire un programme journalier. Ça les occupe d'abord, un. Secondairement, euh, ça a cet avantage, bien sûr, euh, de détruire un peu l'excès de sucre ou de graisse en circulation. Voilà, c'était le médecin de sport euh, qui nous conseille euh, de mettre en activité les enfants. Madame euh, Hassan Chima, vous nous entendez Oui. Comment est-ce que, selon vous, les parents, comment est-ce qu'ils peuvent pousser leurs enfants à pratiquer ces activités, notamment du quotidien de la maison Oui, je ne sais pas, j'ai entendu parmi les enfants qui sont intervenus au début, il y a une fille qui disait que elle fait la cuisine matin et soir et l'après-midi, elle elle essaie de réviser ses leçons. C'est une très bonne chose, c'est un exercice physique qui est euh, assez bien pour la fille, parce que les va et vient seulement au, sein de la maison domestique, ça peut l'aider à, en tout cas, se dégraisser et ça peut occuper, non seulement physiquement, et ça va l'occuper aussi psychologiquement. Et je pense que pour les garçons, c'est le plus difficile parce qu'ils sont habitués à FADA, à l'école, à sortir à faire ce qu'ils veulent. Mhm. Ce n'est pas évident. Je pense que ceux-là, les euh, le gens dans la distribution des tâches ménagères, il faut les impliquer dans les tâches ménagères. Même si c'est nettoyer ici, faire la lessive par là. Arroser. Arroser les fleurs par ici. Balayer devant la porte. Oui. Mhm. Ça peut les occuper et je pense que c'est une bonne distraction au lieu de se cantonner sur les réseaux sociaux comme l'a dit le psychologue, qui peuvent euh, créer une addiction chez ces enfants. D'accord. Merci, Mme euh, Madame Hassan. Monsieur Sidikou, Kou, euh, vous êtes psychologue. Est-ce que de cette façon de vivre la sédentarité, ça peut avoir des répercussions à long terme Oui, ça peut avoir des répercussions. C'est même pas des répercussions à long terme, mais c'est à, court terme. Mhm. Parce que le fait de cette sédentarité, Parfois, il y a le manque de sport parce que le sport permet de déstresser euh, l'enfant ou même l'adulte. Donc, plus on fait le sport, plus on libère certaines décharges émotionnelles et, de stress. Donc, le fait de ne pas faire le sport, ça angoisse parce que c'est une privation. La privation de la liberté, ça peut provoquer une détresse psychologique et ça peut aussi provoquer euh, des angoisses et de la nuit. Donc en, faisant le, euh, sport, mhm. vraiment ça, résout ce, problème de stress et de l'angoisse. Donc en gros, le sport est bien pour le mental. Le, stress est bien pour le mental. D'accord. Donc selon les experts, euh, rester à la maison entre quatre murs tout le temps met le corps et le mental aussi à rude épreuve avec des conséquences euh, psychologiques. Comme exemple, euh, un parent nous explique comment lui et son épouse occupent leurs enfants. Je vous propose d'écouter Sani Ayuba, Il est père de deux enfants scolarisés. On a deux enfants, comme on a une cour assez un peu grande, on a un peu de potager, donc on les initie à cela. Et après, vers 10 heures, on prend les livres de lecture, on a le tableau, donc on essaye. Et après, à 12 heures, on fait le moment du déjeuner et puis on peut mm. regarder la télé. Et après, un moment de sieste et l'après-midi aussi, on peut faire euh, des jeux récréatifs euh, dans la cour. Ce qu'il faut surtout éviter, de vraiment les laisser regarder tout le temps la télé, être sur les tablettes ou sur les téléphones en train de jouer. Cette tâche est ce facile pour vous Ah non, pas du tout, parce que là, les matinées moi j'ai mes trucs professionnels à faire. Mais comme on a convenu d'avoir un agenda partagé aussi avec ma femme, donc euh, on est obligé aussi de soi souvent certaines obligations professionnelles. Des propos recueillis par euh, Nafisa Adamou Sirfo. Madame euh, Hassan Chima, vous êtes la directrice régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant Adifa. Comment appréciez-vous les dispositions prises euh, par ses euh, parents pour occuper leurs enfants Par rapport à ce monsieur qui vient d'intervenir, euh, je pense que c'est très bien et surtout qu'il répartisse entre sa femme et lui, en tout cas, l'intérêt par rapport aux enfants, c'est une bonne chose. Parce que ça permet à ces enfants-là, en tout cas, d'échanger, ce qui est rare pendant que les enfants allaient à l'école et que les, parents étaient occupés à autre chose, c'est une chose euh, qui est vraiment positive et je pense que c'est très bien. Et dans ce sens-là, par rapport aux jeux, surtout aux enfants les plus jeunes, mhm. je pense que les parents aussi peuvent s'associer à enfants, aux enfants pour jouer de temps en temps, pour les aider à tout cas à passer le temps pour ne pas euh, avoir les effets négatifs du confinement. Mais il ne faut pas s'attarder sur euh, la télé ou... Euh, la télé, la télé c'est même ennuyant à la limite. Parce que vous avez, vous allez constaté que les enfants, à force de regarder, regarder, ils sont fatigués. Ils s'endorment, ils prennent des réseaux sociaux, tout ça, là, ils, essaient de naviguer. C'est pas... Moi, je pense que ça, là, comme l'a dit le psychologue, ça va créer des addictions. Mais si les enfants sortent, ils jouent dans la cour, par exemple, le saut à corde, ils peuvent faire entrer les parents, les parents peuvent tenir la corde chez les, petits-enfants, ils peuvent mhm. jouer. Ça va, ça va les aider à vraiment non seulement échanger mieux avec leurs parents, ça va créer l'ambiance qu'il n'y avait pas avant. <laughs> D'accord. Merci beaucoup, M. Euh, Monsieur Sidikou, psychologue. Euh, quelle est votre appréciation de ces activités que proposent les parents à leurs enfants Oui, je pense que c'est des, bonnes, des bonnes activités qui sont bien indiquées. sauf qu'il dit qu'il dit est préoccupé par les activités professionnelles. Donc, euh, rester confiné à la maison, on sait que maintenant, il n'y a plus d'activités il faut donner le temps aux enfants pour bien échanger avec les enfants. Mhm. Et parce qu'avant le confinement, on dit les parents sont atteints de la maladie des réunions ou bien de, la maladie professionnelle. Ils sont toujours au service, ils ne reviennent pas à la maison. C'est au moment où les enfants dorment que euh, les parents reviennent. Ils quittent encore avant que les enfants ne se réveillent parfois. Donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant ils ont eu l'occasion de rester avec les enfants, mhm. donc les parents doivent aussi donner leur temps à ces enfants pour avoir vraiment une affection euh, euh, euh, parentale qui, qui va les servir après. Maintenant, Malgré que les écoles soient fermées, euh, ce ne sont pas tous les enfants qui restent euh, isolés à la maison. Il y en a qui sortent, euh, les parents ne savent pas où ils sont. Comment expliquer cela Comment est-ce qu'il faut le comprendre ça aussi, c'est pas une bonne chose parce qu'on a fermé les écoles pour dire pour que les parents prennent en charge leurs enfants, s'occupent des enfants. C'est pourquoi on a fermé les écoles parce que l'administration de l'école ne peut pas bien s'occuper de tout le monde. Maintenant, si les parents qui sont restés à la maison et qui laissent les enfants sortir, ça aussi, c'est pas bien, c'est des facteurs comportement à risque. Mhm. Voilà. Maintenant, euh, ce que je disais aussi, c'est tout ça là, c'est en fonction des âges, de l'âge de l'enfant. Maintenant, eh, il y, a des, adolescents, il y a des enfants qui ont 10 ans, il y a des enfants qui ont 14 ans. Maintenant, les plus petits, ils ont besoin des parents, être toujours à côté des parents pour, euh, pour avoir la chaleur maternelle, la chaleur paternelle, ainsi de suite. Mhm. voilà. Donc, ça veut dire qu'eux ne sont pas plus touchés euh, que les plus grands, parce qu'eux, habituellement, ils sont avec les parents. Non, normalement, eux, ils, se retrouvent euh, dans cette situation. Mais maintenant, c'est ceux qui sont habitués à sortir, c'est eux qui sont en difficulté. Maintenant, bon, le fait, euh, il faut aussi le comprendre parce que euh, je disais tout de suite que c'était une privation. Mhm. Et la privation provoque de la nuit. Et dès qu'on te donne des limites, c'est que ça veut dire qu'il y a des problèmes par rapport à ça. Parce qu'on dit l'éducation, c'est les parents d'abord et ensuite le groupe. Donc c'est pourquoi ils ont un besoin de sortir pour aller jouer dans la rue. Madame Hassan Chima, depuis IDIFA, qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes-là qui ne savent pas où se trouvent leurs enfants en ces temps où ils ne devaient pas être à l'école <laughs> comme, comme vous venez de le dire, ça dépend des âges des enfants. Mhm. Quand ils ont plus de 10 ans, ils sont plus difficiles à maîtriser. Mhm. Ils vont vouloir sortir, et tromper la vigilance des parents. Moi, ce que je conseille, et surtout quand les enfants ont des téléphones, dès que vous constatez qu'ils ne sont pas là, appelez-les, ramenez-les à la maison. Dieu sait où ils vont partir. Là, ils vont partir rencontrer des amis. Et même vouloir partir au terrain de sport. Parce que là, là aussi, ça va être des, des, des, rencontres avec. C'est des attroupements aussi, ça a été interdit normalement. Ça a été interdit. Mais, mais vous savez, il y a les réalités de Niani. <laughs> mais je vous assure, il y a des enfants qu'on n'arrive pas à maîtriser qui errent dans la rue. Alors j'en appelle à la vigilance des parents pour que vraiment dès que votre enfant sort, que vous sachiez là où il est parti et qu'on puisse le ramener dans le cadre l'occuper dans le cadre de la, maison. Vous voulez, vous voulez dire que même si DIFA n'a pas enregistré de cas, les, les personnes-là, ils ne se préoccupent pas de garder leurs enfants à la maison Les gens font des efforts. Hein. Je ne dis pas que les gens ne se préoccupent pas, mais je vous dis, il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas, qui n'arrivent pas à les garder à la maison. Selon vous, c'est dû à quoi Il n'y a pas eu assez de communication autour... Euh? on continue à faire des communications. La communication continue. vous savez, sur les médias, nous-mêmes, au niveau de notre service, on fait du porte à porte pour dire aux mères essayez de maintenir vos enfants à la maison. Vous le savez, les enfants, quand ils peuvent la vie pour sortir. J'ai pas, euh, j'ai pas saisi, ça a coupé. Qu'est-ce que vous venez de dire J'ai dit les parents, mhm. euh, il faut qu'ils aient un peu plus de vigilance. Parce que l'enfant, quand il a un certain âge, il est difficile. Ils peuvent euh, tromper la vigilance des parents pour sortir. Donc, il faut que les gens mettent encore le paquet pour pouvoir le maintenir en tout cas au sein de la maison pour éviter la contamination. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des cas, parce que nous savons que Zender, il y a des cas. Mhm. À côté de nous, ici au Nigeria, il y a des cas. Les gens vont et viennent et, c'est pas comme Niamey qui est fermé. Je pense que le risque est toujours là. Il faut que les gens se préoccupent. Donc, euh, les autres régions ne sont pas isolées euh, comme Niamey, mais quand même, les élèves restent à la maison. Certaines mères de famille, interrogées par nos correspondantes d'Agadez, Tanout et Karma, nous expliquent euh, leur quotidien. Concernant le coronavirus, nous protégeons nos enfants et nos familles. Nous évitons tout risque de contagion. Nous sommes tout le temps enfermés avec nos enfants à la maison. Si tu vois un enfant sortir, c'est que sa maman est absente. Et s'il sort, en rentrant, on lui lave les mains avant qu'il ne touche quoi que ce soit. Ou bien on le lave complètement. Nous prions Dieu pour qu'il nous vienne en aide, surtout avec ce mois béni de Ramadan. Maintenant que les enfants ne partent plus à l'école, on ne peut pas les garder à la maison. On les laisse sortir pour aller vendre des articles. Toutes les activités de nos maris sont bloquées. Il y a la faim dans ce pays. Les transports en commun sont bloqués et on ne peut pas se déplacer à pied. Donc c'est normal qu'on cherche des solutions. Même la vente, on n'en gagne pas du ce temps passé avec nos enfants à la maison nous a permis de constater beaucoup de changements que nous devrions apporter dans notre vie. On n'a pas tout le temps la chance de passer plus de temps ensemble. Tantôt ils sont à l'école, tantôt ils sont à l'école coranique. Nous aussi, nous ne sommes pas toujours disponibles pour eux. Mais avec ce temps passé ensemble, nous allons essayer d'apporter des solutions, leur apprendre comment rester avec leur famille, leur amis et autres. Nous remercions également leurs enseignants pour le courage. Voilà, Monsieur Sidikou, Amadou, psychologue, ces personnes régiment à peu près ce que nous venons de dire. Donc, comment appréciez-vous l'effort de ces femmes euh, chez elles Je pense que ces parents sont, qui viennent d'intervenir sont sur la droite ligne de, de ce qu'ils devraient faire. Et maintenant, il ne faut pas. La seule euh, fausse note, c'est le fait de dans cette période de confinement, d'envoyer les enfants sur le marché pour aller vendre des articles. Mhm. Ça, ça, ça, multiplie aussi, ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté et puis ça multiplie les facteurs de risque. Mais elle, elle justifie le fait que euh, leur mari ne travaille pas, elle qui est commerçante, elle est obligée de faire intervenir ses enfants. Comment attirer l'attention de ces femmes Bon, euh, on sait que c'est difficile pour elles parce que c'est le contexte qui est là. Maintenant, euh, il faut aussi faire, euh, il faut faire la balance. Dans le cas où il y a eu la contamination, il faut faire la balance. Maintenant qu'on n'a rien à manger et que maintenant la maladie est venue. Mhm. Donc ça veut dire que ça, la situation s'aggrave. Maintenant, respecter les, mesures de distanciation ou bien les consignes qu'on a déjà données, ça, vous préserve quand même d'aller se contaminer. C'est ça. Voilà. Madame Hassan Chima, depuis DIFA, vous nous écoutez Oui. Cette dame euh, n'a pas le choix, elle fait sortir ses enfants pour aller au marché quand même. Qu'est-ce que vous en dites de cette situation Vraiment, ce n'est pas une bonne situation. Je pense que vaut mieux respecter les consignes et éviter, en tout cas, euh, la maladie que de, ne pas les respecter. Chercher de l'argent qu'on euh, va, on va certainement dépenser avec l'avènement de la maladie et qu'on va même souffrir encore plus. Je pense que c'est un temps. Ces femmes-là doivent être interpellées pour qu'elles n'envoient pas ces enfants-là. Parce que l'enfant, sur le marché, il ne sait pas qui il rencontre. Ça veut dire que aucune des consignes de lavage des mains et de protection, même chez ces enfants-là, ne sont respectées. Donc, euh, appel à ces femmes, vraiment, il faut qu'elles arrêtent. Qu'elles arrêtent et qu'en tant qu'adultes, elle continue, le mari, peut-être même s'il n'a rien à faire, c'est l'occasion. <laughs> S'il ne travaille pas, c'est l'occasion de chercher du travail mhm. pour pour qu'il arrive à subvenir aux besoins de ses enfants-là. Mais le prétexte qu'il n'y a pas d'argent, que le mari n'a pas de travail, ce n'est vraiment pas un prétexte pour exposer les enfants. Parce que ces enfants-là vont ramener la maladie et ça va compliquer encore les situations des familles. Merci beaucoup. Le temps de faire une petite pause. les familles nombreuses euh, qui résident dans des habitations trop exiguës, genre célibatérium comme on les appelle ici, ou les F2 pour euh, ceux qui ne sont pas <laughs> d'ici, Monsieur Sidikou Amadou, quelles pourraient être les conséquences psychologiques sur les adultes et les enfants de rester aussi longtemps enfermés C'est vrai qu'on l'a évoqué un peu, mais il serait bon de euh, rappeler encore. Les conséquences sont là. Euh, parce que à un certain moment, euh, les gens qui devraient s'approcher, ils n'arrivent plus à s'accepter. Donc, euh, imagine des parents qui sont ennuyés, et ça provoque de la colère. Ils peuvent taper les enfants, frustrer les enfants pour n'importe quelle chose, même si ça ne vaut pas une dispute, ça peut conduire à une dispute ou bien entre papa et maman, ça peut provoquer aussi des, des, conflits en présence des enfants. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact psychologique sur le, plus jeune. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des risques aussi pathologiques, euh, psychiatriques Oui, ça peut avoir, pas psychiatrique, mais psychologique. Mhm. Le risque, ça peut avoir tout de suite, je disais, le conflit entre papa et maman. C'est ça. Et en présence des enfants, peut traumatiser l'enfant. Et à la langue, ça peut même provoquer des problèmes psychologiques euh, graves qui vont aller jusqu'aux difficultés psychiatriques. D'accord. Des violences aussi, comme vous l'avez dit, peuvent survenir euh, entre les enfants ou entre les parents ou bien les parents sur les enfants. Madame Hassan, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Comment peut-on aider ces parents selon vous Qu'est-ce qu'ils doivent faire Je rappelle encore par rapport au risque que les enfants ont en cas de dans ces situations de restriction-là. Mhm. Vous savez, comme il vient de dire, les violences peuvent survenir entre les parents, mais aussi les violences à l'endroit des enfants. Parce mhm. que les parents n'ont pas l'habitude de cohabiter longtemps avec ces enfants-là. Entre les enfants aussi. Oh, et entre les enfants aussi. Mhm. On peut être amené à ne pas se supporter, vraiment pour avoir des violences physiques. Au-delà même, l'inceste au sein des familles donc les violences sexuelles mhm. chez les petits enfants. Euh, euh, ou les petites filles, ou même les petits garçons, pourquoi pas. Donc, il faut être très vigilant. Le conseil que je dois donner aux parents, c'est d'être très vigilant et d'être très tolérant et surveiller surtout pour éviter les, les, les, exactions, les violences qui peuvent se venir entre euh, les, les, parents ou bien entre les parents et les enfants ou bien entre les parents eux-mêmes entre les enfants eux-mêmes. Si jamais cela arrive, si cette situation se présente, euh, que prévoient les textes euh, dans ces circonstances En tout cas, la violence chez l'enfant, vraiment, <laughs> les textes sont là. On ne doit pas violenter l'enfant. Donc si jamais ça arrive, les violences euh, physiques, maltraitance physique, normalement, c'est puni par la loi. Et... Donc, il faut éviter qu'il euh, y ait ces violences physiques chez les enfants-là. La maltraitance, surtout les, les, les, cas de viol et autres, c'est des choses qui sont poursuivies, en tout cas par la loi. Donc, évitons à ce qu'on arrive à ces, à fins-là. Merci, euh, Madame Hassan Echima. Monsieur Sidikou, vous êtes euh, psychologue. Euh, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est enfermé chez soi en cette période de chaleur Comment euh, respirer Comment gérer la situation Comment gérer la situation, c'est de, chercher à se déstresser. Et on dit à l'impossible ni n'est tenu, mhm. comprendre que c'est comme ça et puis réunir les membres de la famille, échanger avec eux, et les échanges, la communication peut faire en sorte que la nuit et le stress euh, passent et donner beaucoup de temps aux enfants. Dans nos réalités à l'africaine, à la nigérienne surtout, les populations n'ont pas l'habitude de consulter un psychologue euh, pour leur bien-être euh, par peur des préjugés, d'être considéré comme un fou, entre guillemets, même si mhm. ça ne se dit pas un mhm. malade mental. Mhm. Est-ce qu'on a accès aux, services euh, psychologiques euh, dans les services de santé publique ou privés Oui, bon, ici à Niamey, quand même, il y a le service de psychiatrie de l'hôpital national de Niamey et à la clinique Kik aussi où euh, les psychologues consultent. Donc dès que la personne parle là-bas, il demande la consultation psychologique, il aura accès à un psychologue. D'accord. Mais est-ce que. oui. Maintenant, le, problème, c'est que euh, parfois, comment percevoir le problème psychologique Et parce qu'aujourd'hui, euh, dans notre réalité culturelle, les gens ont plus euh, recours aux, aux praticiens, même si c'est un problème psychologique. Il faut que le problème devienne ingérable Mhm. C'est en ça là on va penser au, service de, psychiatrie. C'est ça. Voilà. Madame Hassan euh, Chima de la direction régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de DIFA. Euh, avec euh, cette situation, est-ce que des moyens sont mis en place pour prévenir ces risques psychologiques. Est-ce que l'État a prévu quelque chose là-bas au cas où des situations comme ça se présentent L'État <laughs> de la, de, la même, de la même façon qu'il y a un comité de gestion du Covid, est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour euh, euh, soutenir ceux qui ont besoin de soutien psychologique Oui, oui c'est le travail de notre service. Mhm. On est là pour protéger en tout cas euh, l'enfant mhm. de façon générale. Et comme je l'ai dit avant, on a les travailleurs sociaux qui sont euh, en tout cas financés par l'UNICEF font le, porte-à-porte pour sensibiliser les parents pour prévenir les risques auxquels sont exposés les enfants. Mhm. En dehors de ces enfants-là qui ont leurs parents, qui, sont, euh, qui ont suspendu la scolarité par, mesure de sécurité, il y a d'autres enfants qui sont plus à risque. Euh, voilà, les enfants, vous savez, du c'est un contexte particulier. Mhm. Nous avons, en dehors de cette affaire de Covid-là, nous avons des, populations qui ont été euh, traumatisées par mhm. tout ce que vous savez comme conflit qui sont autour de Difa et qui, sont, et qui ont été obligés de quitter leur village, qui sont dans les villes, mais dans des habitations précaires. On a d'autres aspects des enfants qui sont les, enfants qui sont dans les écoles coraniques, les talibés qui nous viennent d'un peu partout, du Nigeria, des grandes villes ou des villages qui viennent chercher la connaissance coranique. Et qui vivent en communauté chez le hein? marabout. Je dis qu'ils vivent en communauté chez le marabout. Voilà. Mm. Vous avez des, terrains, parce que c'est pratiquement des terrains vides, qui peuvent contenir jusqu'à 100 enfants. Une centaine d'enfants qui n'ont ni parents, ni, ni euh, nourriture euh, sûre, ils sont obligés de sortir pour faire le porte-à-porte. et ils sont exposés Ils sont exposés et ils exposent aussi parallèlement la population à ce risque-là. Mhm. Parce qu'un talibé qui sort, qui va faire 5-10 portes pour chercher à manger, mhm. il va certainement frapper à la mauvaise porte là où Covid le, le Covid Qu'auriez-vous souhaité dans cette lutte contre le coronavirus pour ces enfants Pour ces enfants, nous sommes en train de de, travailler avec les, responsables euh, de l'association islamique pour faire en sorte de circonscrire ces enfants-là et leur assurer, avec l'apport, l'appui des ONG et des euh, partenaires, pour qu'on puisse euh, mettre à leur disposition assez de moyens de survie pour qu'ils ne sortent pas, mhm. s'exposer et exposer la population au risque de propagation du Covid-19. Vous pensez que ça pourrait aboutir Bon, on, essaie de faire et on pense que ça va aboutir, mais le risque est toujours là. Un enfant qui n'a pas qui lui interdire de sortir, c'est pas évident. Le marabout n'est pas toujours présent pour, une centaine d'enfants. Vous ne pouvez pas avoir. n'est pas facile de les éduquer tous. Hein. Mhm. Voilà, tous ensemble, c'est pas évident. Merci, euh, Madame euh, Hassan. Monsieur Sidikou, que proposent euh, actuellement euh, les services de l'État pour ces genres d'enfants euh, Le service de l'État, bon, je n'ai pas connaissance de ce que l'État propose pour ces genre d'enfants. En dehors de ce que Madame vient de dire, euh, c'est le mhm. service de protection de l'enfance qui parfois, s'il y a des problèmes de traumatisme, ils vont, faire, ils vont prendre attache avec les services de, de de psychiatrie et de psychologie. Seulement quand le problème survient, mais il n'y a pas de prévention, euh, il n'y a pas de moyen de prévenir. Je n'ai pas connaissance euh, de la prévention que l'État fait par rapport à ça. D'accord. Maintenant, euh, par rapport aux parents, je, viens par rapport aux parents, c'est parfois même les parents, je ne parle pas des, talibés, mhm. mais des enfants qui sont en famille, parfois les parents se jettent la responsabilité. Dès que le problème survient, dès qu'un parent se sent fautif, et euh, il refuse euh, d'aller voir euh, le spécialiste. Avec les entretiens, le spécialiste peut découvrir que ah, c'est le tel parent qui est fautif, c'est tel parent qui est... Et ça peut aussi provoquer une mésentente familiale. Parfois, c'est à cause de ça que les, parents cachent. Voilà. Ou bien les parents peuvent toujours accuser le groupe. Le problème ne vient pas à moi, mais il vient de Quand il sort. Quand il sort. Hum. Donc, dès qu'il y a un problème psychologique avec un enfant, par exemple, si on prend l'exemple de, la consommation de la drogue, parfois, euh, n'est pas toxicomane qui le veut. Ce n'est C'est mhm. pas parce que j'ai envie de prendre la drogue que je vais la prendre. C'est parce que parfois il y a un facteur euh, qui, qui, est signe d'appel pour que je prenne la drogue. Et si ça arrive à un enfant, le parent ne voit pas. Parfois, peut-être le problème, c'est au niveau de la famille. Il y a une atmosphère familiale qui est invivable mhm. et c'est ce qui pousse l'enfant à aller prendre de la drogue dans la rue. Mais le parent, les parents euh, accusent le groupe dans lequel il vit et dans lequel le groupe qu'il fréquente. Alors que le problème est au niveau de la famille. Au niveau de la maison. Donc de la maison, il ne peut pas reconnaître ça. D'accord. Donc est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'éducation de ces enfants à la maison et aussi des enfants de la rue Oui, par rapport à la prévention dont vous faisiez quand tout à l'heure avec le psychologue. Donc, euh, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites par rapport à la prévention. Nous avons euh, des communautaires, des gens que nous avons formés au sein des communautés, qui, peuvent, et euh, quand ils vont observer, doivent nous alerter quand il y a des situations qui exposent l'enfant au risque mhm. de traumatisme, au risque de, en tout cas aux exactions qui peuvent survenir et qui vont l'entraîner soit vers euh, la rue, soit vers la consommation des drogues, soit vraiment vers un traumatisme qui peut l'affecter et à la longue affecter la société. Mhm. Donc ces, ces, ces, gens, ces représentants de la communauté sont assez avertis. Dès qu'ils constatent qu'il y a un enfant qui est maltraité ou qui est négligé, ils viennent vers nos services mhm. nous interpeller et, nous vous réagissons tout de suite pour aller vers la famille pour essayer en tout cas de régler ça. Merci Madame Hassan Chima, directrice euh, régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de DIFA, euh, Monsieur Sidikou Amadou, psychologue euh, clinicien à l'hôpital national de Niamey. Qu'avez-vous d'autre à dire par rapport euh, à l'isolement dû au Covid-19, l'éducation des enfants bon, Par rapport au confinement, je dirais juste que les, parents peuvent profiter de ce confinement pour donner le maximum d'affection à leurs enfants je pense que euh, le confinement peut avoir un point positif pour les enfants, surtout les plus jeunes, euh, parce qu'ils vont, ils vont vivre un peu, ils vont passer beaucoup de temps avec les parents avant que le confinement ne finisse. Et dans cette situation, les parents peuvent inculquer le maximum de valeur pour ses enfants. Mm-hmm. Donc c'est ce que j'ai ajouté. Donc, euh, c'est ici que prend fin cette euh, émission. Retenons que l'isolement lié au Covid-19 euh, n'est pas forcément négatif sur l'éducation des enfants. Selon les invités, c'est l'occasion pour les parents de revoir l'éducation de leurs enfants, l'occasion de leur donner le maximum d'affection et surtout plus de temps passé avec eux pour leur bien-être. Cependant, en ce qui concerne les enfants de la rue, les talibés qui sont loin de leur famille, les invités souhaitent euh, l'appui des autorités pour les aider à traverser cette euh, phase du COVID-19 euh, au Niger. Donc, la communication peut faire que la nuit et les stress passe. Nous étions avec euh, Madame Hassan Chima, directrice euh, régionale de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant de DIFA. Monsieur Sidikou Amadou, psychologue clinicien à l'hôpital national de Niamey. Et Dr Hamma Idrissa, médecin cardiologue et médecin de sport que nous avions en interview. C'était Reila Toussoumana à la présentation et Issa Laoli à la technique. Avant de clôturer cette émission, je vous propose d'écouter la rubrique euh, Affairage en français, Lotti ou Masokiji en Hausa, la sensibilisation tout en humour. Affairage, affairage, affairage, affairage. Depuis là, je suis sur ce téléphone. Je n'arrive même pas à déchiffrer son coude. Peut-être même c'est avec l'empreinte de son doigt qu'il ouvre l'appareil. Bonjour, ma copine, bonjour. Hé, eh, Alissa, tu ne m'entends pas Je te salue. Toi là, tu ne vois pas que je suis concentrée sur un travail <laughs> Pas besoin de le dire. On peut le voir à des milliers de kilomètres. Au fait, qu'est-ce que tu fais avec une feuille et tous ces schémas Tu es devenue mathématicienne ou quoi C'est ça. <laughs> Écoutez, ma belle, j'essaie de trouver le bon chemin pour décoder ce portable. Eh, mais tu me fais rire. Comment as-tu oublié ton mot de passe Toi aussi. C'est celui de mon mari. Il est bizarre ces derniers temps-là. Hmm, Alissa, ne fais pas ça. Tu pourrais regretter de voir ce que tu charges dans ce téléphone. <laughs> non, t'inquiète. Je fais vite et je le ramène avant qu'il ne se réveille. Ce n'est pas possible. Tu es vraiment déterminée à fouiller dans le téléphone de ton mari Hé, eh, parle doucement. Sinon, tu vas le réveiller. Je le vois depuis quelque temps s'isoler pour passer des coups de fil. Toujours en train d'écrire des SMS. C'est sûr qu'il parle à une autre femme. Je dois savoir qui est-ce. Hey Allah, c'est vraiment irresponsable. Je dirais même immature. En plus, ton mari pourrait le prendre très mal. Ce n'est rien. C'est pour cela que je profite de son sommeil pour prendre le portable. Regarde tout le mal que tu te donnes. C'est à la limite de la torture. Et si tu découvres qu'il voit une autre personne tu auras mal. Et dans le cas contraire, tu te seras torturé pour rien. Le plus compliqué est que si ton mari le découvre, tu auras détruit la confiance qu'il a en toi et l'harmonie qui existe dans votre couple aussi. Hmm. Tu sais quoi Tu dois avoir raison. Hmm. Cela fait une semaine que je mène cette enquête. J'ai dû surveiller ses moindres mouvements pour connaître ses chemins. <laughs> On appelle ça enquête et filature. <laughs> Oui, enquête. Et pour un résultat si peu satisfaisant. Arrête un peu de te moquer. Hmm. Moi, je te dis, pour toi et pour tous ceux qui fouillent dans le téléphone de leur partenaire, sachez que cette pratique peut détruire votre relation. C'est un conseil hein, que je vous donne. La confiance est la règle d'or. Et eh, je vais aller déposer ce portable. Mais, je nous disais ce qu'on dit, non La confiance n'exclut pas le contrôle. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme. Espace femme.